je pense que geste comme Nico ko gars yi gisee première phase de xamné collaboration la entre trois structures yu nek ci commune bi di agir ensemble pour aider population bi et encore pour sensibiliser population bi donc première phase de ci plan d'action est xamné lancé plan d' bi nak consisté d'abord à une geste de à des gestes de sensibilisation sensibilisation mom lañ nek ni di def mom lañ commencé d'abord ci marché bi jóge ci marché bi am ñu dem ci dispensaire bi ñu dispense ñu disperser gars am ñu ñëw fi ci quai de pêche bi pour ñu def sensibilisation bi am na ñu jaar tamit euh li bi garage bi pour sensibiliser chauffeur yi fa nek ak yooyu euh, je pense que démarche bi ni mom moy démarche démarche bi ministre bi oote té ñun ñu war ko sé accompagner en tant que des jeunes en tant que des jeunes responsables et patriotes.

yoon la somone fi ñuy tak masque yi ñu obligé suñu population bi ñu tak tak masque yi moy tax bo xolé li ñu déployer li gëna importance ci sensibilisation bi li jëm ndax volé sensibilisation bi ñu gis ne mo moo gën am solo mo mo gëna a jar ñax nit ñi quoi. dañoo def benn euh, démarche élan de solidarité bu ñu def pour mëna jëma sensibiliser ak apporter suñu solidarité au niveau de la population de la Somone parce que ñun ñëpp xam nañ ne population Somone li majeure partie bi ci tourisme lañ doon dundee. Le tourisme est depuis depuis plus de un mois presque bientôt deux mois Nous avons dañ soit directement ou indirectement si tourisme bi amatuñu dara dara lu ñu pour seen affaire bi C'est pour cela que T-REX, à part la sensibilisation bi lancé ay pour 40 familles qui xalaat ne instant yi sonn nañ trop nous lancer une euh, distribution pour le moment n'est pas une course de vitesse ou quoi que ce soit mais on a vu nous nous nous dafa nous nous nous nous nous instant accord nous avons ñëw dafa nous ñu nous ci côté nous après di xaar parce que nous nous première phase Initié euh, aux côtés de des, des, différentes associations et également au niveau du poste de santé pour sensibiliser les populations à, ce, à cette pandémie qui est le coronavirus et qui commence à gagner du terrain au Sénégal. Et euh, il était important pour nous de, magnifier cet élan et surtout d'apporter notre contribution concrète en distribuant des masques, en les confectionnant, en distribuant des masques, en appelant des partenaires euh, pour pouvoir réaliser des kits d'hygiène euh, pour pouvoir sillonner les marchés, le quai de pêche, le poste de santé et euh, permettre à tout, tout saumonois, d'où le concept un saumonois, un masque, à tout saumonois d'avoir son masque, son kit d'hygiène et également euh, permettre à des familles de pouvoir bénéficier de kits de vivre. De Lou, vraiment action bien nga ramener association jeunes saumonies, vraiment tey initier nañ ko descendre le terrain bi population pour vraiment apporter un message ou sensibilisation pour combattre euh, le Covid 19. Euh, ci vraiment confectionner des masques vraiment pour distribuer aux populations. vraiment avec un slogan un noir, un masque noir bu nek un masque parce que bu ñëpp un masque vraiment dina freiner propagation bi dinañ ar suñu bop ar suñu communauté ar suñu ar suñu askan parce que ka communautaire comme nous ko xamé commencé na law ci dëkk bi donc mesure barrière vraiment il faut que ñëpp ku xamné de day gën sa kër di dem dans un lieu public vraiment tak masque bu boba dinañ freiner chaîne de contamination bien entendu avec les autres mesures barrières laxasu ba set ak ndox ak sabu vraiment éviter de toucher ci def ko ci mouchoir def ci mbalit mi euh, éviter de serrer loxo donc yooyu yëpp bu ñu ko defee booleeg port de masque bi vraiment wax dëgg yàlla dinañu parti dina am solo lool lool lool lool ci xeex bi